cette jeunesse a besoin en fait d'espoir. Et cette jeunesse aussi sénégalaise a besoin, comme l'a dit tout à l'heure mon cher frère euh, Michel le directeur de l'APIX, Abdoulaye, euh, de référence et de modèles en fait. Aujourd'hui, euh, moi j'ai toujours considéré la lutte sénégalaise euh, euh, qui est notre sport national, parce que je disais à l'époque que je suis un homme moderne qui fait un sport traditionnel. Et qu'aujourd'hui, en fait, boule Boulfalé, pour moi, n'a jamais été une écurie de libre, mais c'est une philosophie de la vie. Montrer aux jeunes Sénégalais, montrer aux jeunes Sénégalais qu'on peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social. Et comme l'a dit le professeur, en fait, je pense qu'on a su quand même euh, créer un statut social du lutteur dans ce pays. Et je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, en termes économiques, euh, l'Afrique, euh, c'est un continent de lutte en fait. Parce que, comme disait euh, l'artiste, si ce métier donne, pas ça n'a fait. Et que la chance que nous avons à travers ce sport qui est un sport traditionnel, qui est la lutte, chaque pays africain a sa forme de lutte traditionnelle que tu vas euh, au Nigeria, euh, au Sénégal, en Guinée, partout. Et je pense que par rapport à l'intégration africaine, parce que je parle euh, pour, pour, le sport traditionnel qui est la lutte, hein. et je pense qu'en fait, si on parle de l'économie, de, l'industrie du sport et de l'entertainment, c'est important aussi, parce qu'à un certain niveau, tu es un ambassadeur de ton pays. Aux États-Unis, peut-être ils ont réussi en fait quelque chose qui est extraordinaire à mon, à, mon avis. Tu verras des gens qui sont plus doués que euh, Lebron ou euh, tant d'autres, mais comme ils refusent d'aller à l'école, ils ne sont pas admis à la NBA. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, euh, on a évoqué tout à l'heure euh, Sadio Mané en tant qu'investisseur, je pense qu'aujourd'hui, le talent est inné. Le sportif a besoin d'encadrement pour que parce que les gens qui gagnent de l'argent, gagner de l'argent c'est bien, mais savoir l'inverser c'est encore mieux en fait. Parce que des gens qu'on aime, qu'on adule, les gens vous donnent rendez-vous d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, qu'est-ce que, que tu vas devenir Parce que c'est très difficile en fait d'être populaire, d'avoir un nom au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, euh, ça doit aller de pair en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de prendre euh, tranquillement mon, Ndiagandiaï pour aller à Pékin ou aller manger dans une petite gargote, mais je ne peux pas le faire parce que les gens te diront que eh, mais j'ai vu Tyson dans un taxi ou dans un Ndiagandiaï, alors que pourtant, pour me rappeler en fait mes, mes bons vieux souvenirs, ça doit être naturel et spontané. Et aujourd'hui, en fait, quand tu as un nom, c'est encore plus difficile. Et je pense que aussi, c'est important par rapport à l'État, en fait, d'accompagner des sportifs qui gagnent beaucoup d'argent sur le plan international, parce que j'ai l'habitude de le dire, parce que je ne vois pas un sport euh, qui fait quand même, euh, qui, qui, se passe dans un stade de 50 000 personnes. Ça se passe en direct à la télévision, alors que ceux qui, qui le font ne sont pas des milliardaires. C'est ce que je disais avec la lutte, en fait. Parce que ce que j'avais l'habitude de dire il y a plus de 30 ans, derrière, ou 25 ans, c'est un actif, les gens le parlent d'aujourd'hui. Parce que quand je parlais du sport business, les gens ne comprenaient pas ce que je disais en fait. Parce que je ne vois pas en fait euh, au Sénégal. Parce que quand nous on venait, c'était des champions comme Moussa Gueye, qui étaient avec des cachets de 3 millions, 3 millions 500. Mais on est arrivé quand même dans un sport en Afrique, dans un combat de 200 millions de francs. Et ça, c'est important. On a su travailler quand même pour que ce sport rentre dans tous les foyers de ce pays, c'est comme le malheur au Sénégal. Youssou ce qu'il a parvenu à faire, c'est que à travers sa musique, à travers son métier, il a quand même su euh, avoir en fait euh, pénétré cet art dans tous les foyers de ce pays. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe avec toute cette jeunesse, cette jeunesse saine, cette jeunesse quand même qui, qui prend des pirogues pour aller euh, en Europe ou ailleurs, à Nicaragua, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, c'est inquiétant. Et qu'il y a une énergie qui est là. Si on ne peut pas l'arrêter, il faut savoir la canaliser. Et je pense que, professeur, à travers ce ouvrage, on a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, en fait, on était là pour vraiment magnifier votre générosité, euh, vous remercier de tout ce que vous avez fait sur le plan euh, de formation académique. Vous avez formé toute une génération qui sont, en fait, aujourd'hui des décideurs dans ce pays, je pense que euh, on te souhaite longue vie, euh, beaucoup de santé, ñaanal la nga am jàmm am un am sutura pour que Sénégal jëm ci comme l'a dit Baba euh, Matar tout à l'heure maa ngi sant de ñu fi aussi parce que Tyson aussi c'est un produit de ce pays parce que aujourd'hui comme li may wax mbëru làmb bu njëkk dañ doon wax jigen lu mu yees yées jur mbëru lamb. ñun buñ on a dit que né lolu nous sommes wuñ non parce qu'on fait du sport parce que Yakar a nit di en fait moi je suis issu de la banlieue je suis né à Kaolack j'ai grandi à Fas et suis piqué. ce qui se passe dans la banlieue en fait nous savons. parce que la population ça c'est est souvent comme l'a dit en fait Ibrahim tout à l'heure baromètre bi parce que en fait il y a des gens qui sont privilégiés mais li ëpp ci askan bi yaakaar ñuy que rek mën na lu et que si on voit ce qui se passe ces temps-ci suñu waxee que 14 000 migrants yu nek euh, au Maroc ou ailleurs 90% vingt c'est des Sénégalais c'est inquiétant kon nak lolu aussi tamit warna tax ñu attirer suñu attention xamné y a pas de ce métier bëri le barke rek moko gën té tay gisuma lu gëna sport parce que sport en fait il y a que des vertus et des valeurs parce que aujourd'hui, le fait de pouvoir en fait liguer ak sa ñax avec ak am Djom, am am fit et je pense que cette jeunesse ne demande qu'à être accompagnée encadrée pour que si on parle de développement c'est bien d'avoir des milliards c'est bien d'avoir des routes mais former des hommes et le sport forme des champions forme des hommes pour la vie en fait de tous les jours et ça vraiment je tenais à ce que ça c'est mon cœur qui a parlé aussi <laughs> en tant que, jeune sénégalais et si on parle de Tyson comme nous ma je pense que est aussi tamit c'est à travers nos métiers parce que respectons nous règles rek wala nga nous, c'est métier on a choisi parce qu'il y a ce qu'on appelle en fait la génération 88 et la génération 68 nous qui avions des prédispositions la génération 88 moi j'ai commencé à faire le basket étant de la banlieue je ne suis pas senti ce sport mais la boxe Dans la boxe ñu dóor la ay courbe ñu métti jox la saabu wala ay meew ma non bii doxul jógee foofu dem nag si si bëre parce que beaucoup je d'abord doon gis ay champion parce que comme j'habitais à Pikine je voyais le balle numéro 1 à l'époque qui était un grand champion ma à bëre si plage parce que beaucoup on avait du temps parce que c'était l'année blanche 88 damatuñ école nous toog di di sport mané suis un comme je mun champion mu bëreeg mom pendant 6 mois mënatuma dan l'appétit vient en mangeant quoi nga un xale man la lay def suma àdduna parce que dans la vie en fait c'est à toi c'est à nous en fait de mettre du contenu parce que aujourd'hui que ça soit Aliou que ça soit Sadio ou tant d'autres gorgies, tant d'autres sports les gens en fait à un moment donné dañ ne seen dund ñom ñoo contenu parce que quand on parlait de boule Falé parce que c'était pas une écurie simplement mais c'était une philosophie de la vie parce que dañu bëggoon tekki ñu qui tey ñun am nañ suñu ay xarit yoo xam ñu ngi ñu ngi dem feneen et tout ñun soit la génération yu toog nous dañuy croiser les bras xaar leen ñu ñëw wala tamit ñun foog et def dara boobu moo tax tey di nekk ay footballeur moo ñu basketteur moo ñu nekk et je pense que c'est à l'autorité en fait de pouvoir comprendre tout ça organiser tout ça pour que tout un chacun en fait mun a le Sénégal